Aujourd'hui, toutes les commissions électorales départementales sont à pied d'œuvre pour euh, l'organisation euh, des élections prévues le 30 mai, euh, qui vont mettre en jeu 14 centrales syndicales, qui vont se disputer les suffrages, environ plus de 250 000 suffrages. Donc ces élections nécessitent un certain nombre de dispositions matérielles et logistiques pratiquement, le ministère en charge du travail a pris toutes ses dispositions en relation avec les préfets de département et les inspections régionales du travail pour que demain, il y ait le moins de problèmes possibles. Euh, possible. le fichier a été stabilisé à l'issue de plusieurs réunions de la Commission électorale nationale où, à l'unanimité, il a été validé euh, par l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des centrales syndicales de travailleurs, qu'il s'agisse des, représentants de l'administration. Donc le fichier a été euh, définitivement validé. Euh, nous sommes aujourd'hui à plus de 250 000 électeurs qui vont voter dans environ près d'un millier de bureaux à l'échelle nationale. au sortir de ces élections, les centrales syndicales qui auront réussi à avoir le, taux de, le seuil de représentativité de 10% seront déclarées comme centrales syndicales représentatives par un arrêté du ministre chargé du Travail. Donc l'enjeu, c'est de déterminer sur la base des résultats obtenus des suffrages valablement exprimés euh, quelles sont les centrales syndicales qui vont porter la voix des travailleurs avec toute la légitimité et la légalité nécessaires. Donc l'enjeu, c'est la représentativité des centrales. Voilà. Merci. Voilà. waaw pour euh, waaw donc lepp luy matukaay jël nañ ko ci wàllu lu jëm ci élection yi muy matériel électoral bi di urne yi di euh, bulletin de vote yi euh, di lépp loo xam ne daal jumtukaay la ñu soxla ko muy encre indélébile di enveloppe ak lépp luñ soxla rek euh, fi mu jël nañ disposition yi pour que vote bi mun a am ci jàmm ak salam voilà c'est ça vote bi ci 45 départements yi donc euh, am nañ lu toll ci fukki centrale syndicale ak ñeent yoo xam ne ñoo war a dem élection donc dañ koy def ci 45 euh, départements yëpp yu nekk ci Sénégal euh, il concerne aussi euh, l'ensemble des, des, préfets aujourd'hui impliqués pour que nous présidions les commissions électorales euh, ak représentants au central yi ba nga euh, décision bu ñu ci yël rek day décision bo xamné ñëpp ci voilà fichier bi fichier bi validé nañ ko définitivement a nañ ko ba ñëpp d'accord lépp loo xam ne nekkoon na ci gàllankoor génne nañ ko donc électeurs yi war nañ mën a voter suba dans de bonnes conditions voilà c'est ça bureau bureau de vote yi waaw bureau de vote yi moom bëri na bëri na lool daanaka jege na soriwul junni waaw donc mën nañ wax ne lépp loo xam ne matukaay la euh, jël nañ ko li ci am solo nag mooy bu ñu génnee ci élection yi centrales yi nga 10 euh, ko de représentativité Nous sommes les Japonais, nous ñoy syndic central représentative yi nga xamné ñom le gouvernement bi di Nous di waxtaan ak ñom di négocier ak voilà c'est ça merci